nous sommes à notre deuxième édition de la conférence annuelle religieux organisé par euh, l'ensemble des ressortissants de, euh, de sous la houlette de, ces braves dames que vous voyez. Donc euh, cette année, nous s'est réunis pour parler d'un thème qui nous semble être très très très important, le bon voisinage. Donc il parle de bon voisinage, euh, parle des rapports entre humains, euh, entre nous qui habitons soit le même secteur, le même village, ainsi de suite. Donc c'est euh, ça qui nous arrive aujourd'hui. avec euh, euh, l'animation de l'imminent imam, imam Dem et imam Mohamed Lamine ça nous réconforte et je pense que ça va nous pousser à encore affermir les relations avec nos voisins, surtout à cultiver la paix et l'humanisme entre nous entre nous et nos voisins. Donc c'est un thème très important. franchement, euh, si on écoute, si on, on a étudié beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses auprès des l'imam. Donc cela nous permettra vraiment de, raffermir raffermer encore les liens qu'on a avec nos, nos, voisins. Et encore plus d'être plus, plus, plus patient, voire plus tolérant envers nos nos voisins, qu'ils soient musulmans, chrétiens, et ainsi de suite. Euh, les ressortissants de Tchomon à Zignachon de se souder davantage, de se joindre à nous, pour que à chaque fois que, que appelle, que tout le monde se lève au même moment pour venir assister à tous les événements que, les ressortissants de Tchomon organisent au niveau de Zignachon. Nous avons vu certaines léthargies de, de certains. Euh, donc beaucoup ne participaient avec euh, l'appui des gens, l'appui de la, jeunesse et de ces femmes. Euh, nous sommes en train de revivre ce, qui, ce que nos parents nous avaient laissé. Et je pense que ça va continuer crescendo. On, j'accorde beaucoup d'importance à cette association qui est de Tchomon, euh, l'association des ressources de Tchomon. Vraiment qu'ils se, joignent à moi pour vraiment rassembler les populations pour que, la paix entre nous et, tous les ressources de Tchomon résidents. dëkk Cobon nekk présidente dayratul Uda bu chor faamu Cobon yi ma ngi sen président ah thème bi ñu né thème bi thème bu dëkkandoo la lu am solo la nak waaw thème bu am solo solo la bu am solo bu baax a baax ndax dëkkandoo dafa for depuis fi la adina ba yomal xiyaam yan nañu yalla taxaw yàlla dañu xir ci def lu baax ba ci nek nga nek sa dëkkandoo ci jam ak sa salam ndax dëkkandoo moy sa bokk tay bo feebaroon tëdd bala sa bokk di yegsi dëkkandoo mooy jëkk a yegsi motax tax ku nekk war na ci bàyyi xel ñu jël ko dem nag defee ko suñu conférence bi defoon nañ ko daaw fekkee ren di sant yàlla di ñaanit ñu fekkee déwén di leen sant it yéen ak di leen gërëm ndax wax dëgg yàlla yéen a fi teewoon daaw teew fi ren te yéen na ngeen fi teew déwén ci barke yàlla ak yeneen ñu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ñi am jabar jubóog seen jabar ñi amul borom kër yal na leen yàlla may ay borom kër bu baax a baax a baax Thank you.